Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé, gars, chaque fois de partager des informations. Mbok Sénégalais, fait pour les maintenir, 14 régions du Sénégal, à Noël Cup, nous sommes déjà Nous sommes également à l'hôpital de sécurité de février, nous sommes en train de faire des jam. Nous sommes en train de également erreur judiciaire, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en deux doigts de nous, nous sommes en train de faire des choses, nous on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu. Actualité, nous faisons waxtaan ak li nga xam ne mooy suñu U20 yi nga xam ne ñoo gagné UFOA bi kii di Samba Diallo meilleur joueur meilleur buteur également homme du match également Mamour Ndiaye meilleur gardien kii di Boulaye Dia mi nga xam ne nag ils ont stoppé euh, ñii di waa Juventus de Turin euh, kii di euh, donc Youssou Sabaly mi gagné ñoom Nicolas Jackson mais d'abord ki nga xam ne nag

inquiétant muy Olympique Lyonnais ñom nak tay Monaco bu ñom Crépin Diatta ñom ñoo leen 2 buts à 1 Crépin Diatta était titulaire donc au départ de la rencontre ñom nak ah hein, donc euh, ñi di Badiachil bokk na ci ñu duggal du côté Monaco euh, Toko Ekambi mo duggal réduire le score pour l'Olympique Lyonnais man of the match day ki nga xamné nak moy donc joueur de la journée en Bundesliga moy matistel Matistel. mi nga xam nak il a battu le record en étant le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern de Munich ci duggal but ci âge 17 ans et plus mais également meilleur buteur d'Europe, Guy ces dernières années. Lewandowski, 57, 56, 59 les trois dernières années. Lionel Messi, les trois dernières années également. Luis Suarez Deco, Cristiano Ronaldo, les deux dernières années avant. Aussi Lionel Messi, mais également aujourd'hui Lewandowski aussi du côté de la, euh, de la Liga. moment meilleur buteur avec 6 buts. Yago Aspas, 5. Iglesias, 4. José Lou, 3. Euh, Benzema, 3. Kinganomoy, Iglesias, hein. Borja, Iglesias, Momlentan, meilleur joueur du mois du côté de la Liga. La Liga espagnole toujours avec Villarreal qui a été battu par le Betis Real. Betis de King nga et donc Youssou Sabali, Youssou Sabali titulaire Nicolas Jackson également titulaire Ni de Real Betis Donc nous gagné un but à zéro Youssou Sabali également qui a encore fait un match très. très correct Youssou Sabali qui retrouve du temps de jeu petit à petit Gagnant blessure mais c'est un excellent mais un excellent atout pour l'équipe de Real Betis. Et je pense qu'aujourd'hui, le style de Youssouf Savali est un style assez joueur. C'est le il peut apporter beaucoup au Real Betis, mais également au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Gars, insolite, nous sommes à la 94e minute presque. Qui a Milik, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, d'aller Dougal le troisième but. Ou alors, Dougal, le troisième but, but, ni de Juventus de Turin, but. Mais malheureusement, derrière, de Fastim, Simirem, arbitre au carton rouge, bah, par VAR bi annulé, but. Donc, Milik, Gisnenko, Gissimierem, Dougal, but, but, annulé, comparé, carton rouge finalement, finalement, donc la Juventus de Turin a juste accroché euh, le point du nul parce que nous, avons mené au woon ñu euh, Dadi, tembo deux partout mais également qui a ramené. Oui, donc dit Boulaye Bouleja, il a participé au match. Boulaye Bouleja pour son quatrième match en tant que joueur euh, titulaire. Même au fait qu'il quand même, il est sur une bonne dynamique. Boulaye Bouleja qui a joué aujourd'hui contre la Juve. Et je pense que le championnat italien est un championnat Du moment que Moumi a temps de c'est excellent. Et que Salernitana actuellement, ils sont en train de tenir tête au gros du championnat. Inter, Milan, AC également la Juve. L'équipe nationale du Sénégal, on y va. seen baay ñëw na waaw waaw Waouh waaw bojo bojo Sénégal ñëw Sénégal ñëw Samba Diallo meilleur buteur du Sénégal et du championnat UFOA meilleur buteur également hein. donc de tournoi bi euh, homme du match moom lañ également joueur de de cette compétition Samba Diallo donc trois titres la gagné tey gagné homme du match gagné également meilleur joueur du championnat gagné également meilleur buteur de la compétition également Mamoun Ndiaye meilleur gardien le jeune gardien sénégalais les U20 du Sénégal yi ils se sont montrés ils se sont illustré Sama Diallo aujourd'hui hein qui également euh, mi évoluer. évolué moi je nga convoqué ko je vous l'ai dit pour l'équipe U23 euh, lui le capitaine de U20 donc il est sur une certaine dynamique moi je nga donc dès mon Brest gi gisoon ko euh, def ay tests il va retourner au du côté du Dynamo de Kiev mais avant mais avant il va jouer avec l'équipe nationale du U23 convoqué par Demba Bay mais aussi gars comme on dirait derrière toute grande équipe il se cache un grand homme cet homme on ne parle pas assez de lui Malik Daff nga Malik également il s'est sacrifié il continue à sacrifier pour l'équipe nationale de la petite catégorie tes joueurs à la porte de l'équipe nationale ils sont passés entre les mains de Malik Daff Malik Daff il nga xam de Dakar consacré pour l'équipe nationale du Sénégal notamment pour la petite catégorie on lui dit merci c'est un véritable lion à ce monsieur merci Malik Daf. merci l'équipe nationale du Sénégal merci également à la fédération qui ne cesse de faire des efforts Guys, c'était les informations que je voulais vous donner nan ngeen victoire équipe nationale du Sénégal l'avenir de Samba Diallo na mais aussi euh, l'Inter plutôt la Juventus de Turin Monaco euh, Youssouf Sabali, entre autres gars abonné on avance ensemble jaa